un peu déçu d'avoir perdu la finale, c'est vrai. Ça a été un peu difficile euh, vu la physionomie de la rencontre. Mais je pense que bon, les Sénégalais peuvent être fiers de leur équipe parce que bon, ils ont fait un parcours inédit. Ça faisait longtemps qu'on n'est pas allé en finale, donc on les félicite. Et on espère que les Sénégalais seront plus réguliers à ce niveau de la compétition pour euh, avoir euh, le trophée une fois dans leur vie. Voilà. Il est vrai qu'on a joué une finale, on l'a perdue. Mais quand vous regardez toute cette foule, toute cette foule, cette liesse populaire, euh, cela vous donne du baume au cœur parce que tout simplement, vous avez réussi une mission. Nous sommes satisfaits de cet accueil-là. Vraiment, nous avons le cœur très gros parce qu'on aurait pu quand même aimer amener la coupe, mais malheureusement, le sort en a décidé ainsi. Donc nous ne pouvons que revenir, continuer à travailler pour avoir peut-être des lendemains meilleurs pour le football sénégalais. On le constate même à l'accueil. Euh, déjà, on n'avait pas de doute qu'il y avait l'effervescence au pays. Et malheureusement, ce que nous, nous voulions faire, nous n'y sommes pas parvenus, même si les garçons ont fait ce qu'ils ont pu. Et vraiment, il faut se féliciter. C'est ça l'unité d'un pays, c'est ça qui fait un pays. Quand tout le monde se retrouve autour de l'essentiel, dans ce cadre du Sénégal, vraiment, rien ne peut nous échapper. Et je crois que ce n'est que partie remise, il faut toujours y croire. Très contente, très contente de l'équipe nationale. on félicite l'équipe nationale, l'entraîneur et notre ministre des Sports, M. Matarba. Machallah, taw fex rek yalla ñu ngi ñu ngi ñu ngi euh, ñaan yalla aussi benen yoon inshallah allahu rabbi ñu demat tay tam suñu ñëw ñu indalé ay ndam yu bari bari parce que ñu fa dajaloon ñep suñu ay morom nañ te gënuñu leen donc bu yalla défé ñu avancer ba dem final te ay suñu morom ñu final dañu wara sante yalla malheureusement on n'a pas eu de chance. Euh, je pense que si ça s'était pas passé au bout de 17 secondes, on aurait eu l'occasion de marquer. Enfin, on est déçus, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, c'est le foot. Je suis émerveillée de voir tout ce monde autour de nous et surtout avec l'arrivée des Lions, je suis super contente qu'ils puissent voir tout ça. Franchement, ça va leur remonter le moral. Les mots nous, nous échappent, mais on dit merci à l'équipe, merci à Liu, merci à vous tous, tous les Sénégalais. Vous faites votre boulot, que le bon vous accompagne.